bonjour tout le monde. Nous souhaitons la bienvenue au maire et au maire Abdou Karim, ministre DG de la RTP, et à sa délégation. Nous voulons témoigner ici que depuis que notre père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en 2014, en vue des législatives, nous a demandé d'entrer dans la politique, là où on est dans notre terroir, nous, nous nous sommes mis auprès du maire Abdou Karim. À l'époque, il n'était même pas maire. Et nous avons continué à travailler d'un commun accord au bénéfice tant de la commune que de la paroisse. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un maire comme Abdou Karim. Pourquoi L'année dernière, lors des JMJ, Abbé, ce sont des gens de, Colda, Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis, Thiès qui ont appelé pour dire Ah bon, le maire Abdou Karim est intervenu au Cap des Biches pour le nettoyage, pour entretenir là-bas, pour que les jeunes puissent euh, vraiment euh, être accueillis correctement. Par rapport à la paroisse, l'année dernière, il était venu avec 600 chaises. Cette année, vous avez entendu la répartition, plus 400. Donc on est à 1000. Euh, Bernard, qui avait l'habitude, chaque fois qu'il y a les fêtes, c'était les chaises, nos, problèmes. C'est cela on a, les responsables ont appuyé auprès du maire pour qu'il privilégie les chaises, afin que ce soit plus qu'un souvenir pour, pour la paroisse. Ensuite, on a commencé à dire au maire que les chapelles commencent à être fonctionnelles. Et à ce niveau-là aussi, on aurait souhaité avoir un appui. Et donc, par rapport à la paroisse, au chantier de la paroisse, comme au chantier euh, des deux chapelles, le maire est très ouvert. Mais sachez qu'il travaille avec un budget. J'en parle parce que, bon, je suis gestionnaire. Il faudrait présenter vraiment des devis pour qu'il sache comment les introduire dans le budget. En tout cas, nous, les responsables chrétiens qui travaillons auprès de lui, je veux citer les premières que moi-même j'ai trouvées ici. Marie-Hélène Diouf, Clara Colli, Marie Gomis, Pascaline Sanka, et les autres ont suivi, Salomon Colli, euh, euh, Jean-Denis Djedjou, Olivier Meng qui nous a rejoint et tous les autres. Ça ne sont que les 10 que le maire a, a nommés par rapport à la zone. Mais il y a plus de 200 personnes des chrétiens qui sont autour du maire pour travailler, pour s'engager en politique. Donc nous voulons dire encore une fois merci au maire et à toute sa délégation et que la coopération continue pour le bien des, fidèles chrétiens et de la commune. Merci encore une fois. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, monsieur le curé, je, suis, nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que vous foulez le sol de la, paroisse Marie-Madeleine. Surtout en ce jour béni, n'est-ce pas, la naissance du Christ. Que vous venez ici pour nous remettre en cadeau. Un cadeau de 800 chaises. Cadeau de 800 chaises que nous, nous allons faire le dispersing parce que nous sommes organisés en interne. Donc, la paroisse est très honorée. Euh, Abyss a embattu un peu le pas parce qu'il a, il presque fait, comment on appelle ça, une perspective de ce que vous avez eu à faire ici. Ce qui est fait, je, dis, je, n'ai pas dit tout à fait normal, parce que vous n'êtes pas obligé, bien que étant un agent de l'État. Mais nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour ce que vous faites pour l'Église surtout pour la paroisse Marie-Madeleine de Mbao. Maintenant, bien sûr, nous avons quelques doléances, surtout pour la chapelle Saint-Mathieu, où, je suis, parce que nous, aurons souhaité que vous nous fassiez le pavage de la chapelle. Albis, qui fait partie de ce secteur-là, de la chapelle, connaît le problème. Parce que cette année, chaque année, nous restons deux mois sans faire la messe là-bas. Pourquoi Parce qu'il y a de l'eau. Donc nous souhaiterions vraiment que vous nous régliez ce problème de la chapelle Saint-Mathieu. C'est très important pour nous. De pardon, de Saint-Mathieu, <laughs> je m'excuse, de Alors, euh, pour toutes ces personnes ici présentes, j'aurais dû commencer par, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que vous avez perdu un parent. J'aurais dû commencer par vous présenter toutes nos condoléances les plus sincères. Que le Dieu de miséricorde accueille les défend dans, le paradis. Merci beaucoup. Alors donc, euh, monsieur, le, curé, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Euh, si j'ai pas... Hein, ou bien je donne directement la parole à, monsieur le maire, qui va parce que c'est la fête aujourd'hui. Euh, je crois que là... Euh, on a fait un, gros sacrifice, il faut dire la vérité, pour eux, n'est-ce pas, rester ici et vous accueillir. Mais nous aurions, aussi, on était prévenus à temps, nous aurions souhaité que les paroissiens, après la messe, vous attendent ici pour vous recevoir avec, euh, votre personnalité, ici même, dans la paroisse. Alors, j'aurais souhaité, euh, je voudrais donner la parole avant de terminer, donner la parole au directeur de l'IDEC, peut-être qu'il a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas, parce que là, quand même, c'est, nous sommes en train de construire, je crois, l'école qui est là, n'est-ce pas Et bien sûr, euh, tout le temps, nous avons, nous avons tout le temps des problèmes. Il y a des problèmes, bien sûr. Et il n'y a que les autorités administratives euh, qui peuvent régler ce problème. Euh, lui, il est là. mais j'aurais préféré peut-être qu'il vous dise ça, peut-être, je ne sais pas, peut-être en aparté, mais je ne sais pas. Ou bien, ou bien il peut même vous le dire ici, n'est-ce pas Voilà. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le maire. Je suis euh, l'abbé Georges Girandiouf, le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Dakar, c'est-à-dire euh, responsable des, des établissements catholiques de l'archidiocèse de Dakar. Et j'ai la joie je suis en même temps vicaire dominical ici, donc de la paroisse de Mbao depuis euh, trois ans bientôt. Et j'ai la joie de participer à cette rencontre avec euh, ces gestes que vous venez de faire euh, à l'endroit de la paroisse qui est habituel. Parce que je vous ai souvent vu ici, je vous ai vu à une fête patronale ici. Ces jours-là, le Seigneur nous a arrosé bien, avec la pluie d'ailleurs. En tout cas, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites et vous dire que l'Église a des œuvres sociales, que sont les dispensaires, et nous avons voulu implanter un établissement scolaire dans la commune de Mbao, dans votre commune. Nous voulons faire un complexe qui, va commencer de, de préscolaire jusqu'à la terminale, puisque nous voulons participer à l'éducation des citoyens sénégalais. Et je suis heureux de vous dire que euh, ensemble, nous allons euh, collaborer là-dessus. Et s'il plaît à Dieu, nous allons ouvrir cet établissement à la rentrée prochaine. Et je voudrais, euh, je prends la parole ici pour vous demander peut-être un accompagnement par rapport à tout ce qui est aménagement des lieux, c'est-à-dire pour que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles par rapport à l'accès de l'autre côté de la route. Donc je pense que nous prendrons également euh, un moment euh, pour discuter peut-être euh, de tout ce qui est de tout ce qui va accompagner pour que nos enfants, les enfants de la commune de et des communes environnantes euh, puissent être en sécurité en venant ici euh, pour avoir la meilleure éducation possible. En tout cas, je vous remercie d'avance pour tout l'accompagnement que vous nous donnez et que vous ferez encore pour que cet établissement soit l'un des, meilleurs. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Nous voulons faire un établissement d'excellence dans votre commune. Et je sais que cela vous agrée et je sais que vous nous accompagnerez dans cela. En tout cas, un très grand merci à vous, à toutes les populations de Mbao qui doivent savoir qu'un établissement un complexe scolaire euh, s'implante dans votre commune et qui ira jusqu'à la terminale. En tout cas, merci pour vous tous. Merci, monsieur le curé aussi, euh, pour tout cela, sur cet accompagnement. Merci, monsieur le maire. Et merci à toute la délégation pour euh, l'accompagnement que, vous que vous aurez aussi pour votre établissement qui s'implante ici. Merci. Ici, pour vous souhaiter une bonne fête de Noël qui consacre la naissance de celui que nous appelons Issa ibn Mariam, que les chrétiens appellent Jésus, fils de Marie. Et nous sommes venus partager avec vous, partager avec vous ces moments de ferveur, ces moments de recueillement, ces moments de joie, ces moments de fête. Nous sommes très heureux de revenir ici parce que nous sommes ici à chaque fois. Euh, je voudrais féliciter particulièrement le curé euh, pour euh, cette relation très ouverte euh, qu'il entretient avec moi personnellement, mais cette relation euh, que vous entretenez avec la mairie de Mbao. Et je pense que euh, cela matérialise cette, ce dialogue islamo-chrétien qui est devenu et qui est une réalité chez nous, qui est une réalité au Sénégal. Nous partageons les fêtes musulmane et nous partageons les fêtes chrétiennes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est de vous témoigner que nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous à chaque fois que de besoin pour vous témoigner le soutien des populations et pour vous témoigner euh, notre engagement à magnifier et à continuer d'aller dans cette direction que nous avons trouvée. Cette direction, celle-là qui est tracée et qui consacre ce magnifique dialogue islamo-chrétien. Nous sommes venus vous apporter notre soutien. Et l'imam Sek qui m'a précédé tout à l'heure a indiqué euh, ce petit geste que nous avons voulu euh, pérenniser à chaque fois que nous sommes dans des moments pareils. Pour répondre à une ou deux interpellations, euh, l'une concernant le pavage de la paroisse, euh, l'autre concernant l'école que vous souhaitez ouvrir, Inch'Allah, l'année prochaine, je voudrais d'abord, euh, sur cette question, vous dire merci, vous féliciter, euh, parce que vous investissez et vous ne cessez d'investir dans l'éducation et dans l'enseignement de manière globale. Vous avez toujours eu des écoles d'excellence. Et si vous faites bénéficier à Mbao ce joyau, euh, je pense que le maire ne serait que très heureux et ne serait qu'être très content et vous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'on aura une séance euh, pour voir euh, comment trouver des lignes de convergence afin de permettre à nos enfants euh, qui fréquenteront bien sûr bientôt cet établissement de venir et de retourner chez eux dans des conditions de sécurité maximale. Euh, maximales. Donc euh, je suis ouvert, comme toujours, pour que nous puissions échanger sur la question, euh, afin que nous puissions trouver des solutions en rapport avec les riverains, pour que les conditions les meilleures soient trouvées, afin que nous puissions matérialiser votre volonté d'ouvrir cet établissement dans des conditions excellentes. Encore une fois, merci. Merci pour l'accueil. merci pour tout ce que vous faites, pour toute la communauté, mais pour tout ce que vous faites pour Mbao, de manière globale. Euh, je ne peux pas manquer de vous remercier parce que Auchan, euh, qui est une infrastructure ou un centre commercial extraordinairement gigantesque, vient de s'implanter à l'intérieur même du territoire de cette paroisse euh, Sainte-Marie-Madeleine de, de Mbao. Vous avez donné les autorisations nécessaires pour que Auchan puisse euh, s'installer et cela va améliorer euh, davantage les conditions des populations en termes d'échanges quand il s'agit de faire du shopping. Et, je pense que ça, le maire ne peut pas rater cette occasion euh, de vous remercier et de vous dire euh, combien nous sommes très heureux euh, de voir Auchan venir s'implanter à Mbao. Mais si Auchan s'implante aujourd'hui à Mbao, c'est parce que vous l'avez voulu. Vous avez voulu que Auchan s'implante à l'intérieur de cette paroisse. Encore une fois, merci. Et c'est cette belle collaboration qui a permis d'embellir la façade et de trouver des solutions par rapport aux inondations que nous avons connues et que euh, si euh, cela n'a pas été fait, nous allons continuer à le connaître. Euh, voilà l'utile à l'agréable. voilà une pierre de coups. D'une part, on rend l'entrée de Mbao avec, on, donne à l'entrée de Mbao un nouveau visage, mais également euh, par rapport à ce parking que nous venons d'aménager ensemble euh, pour permettre euh, une certaine mobilité pour permettre de lutter contre les inondations. Encore une fois, monsieur le curé, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier. très sincèrement, je le dis parce que je le pense. je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre ouverture euh, pour votre volonté de travailler ensemble avec la mairie euh, dans une parfaite euh, cohésion, dans une entente cordiale pour que nous puissions ensemble soulever les montagnes pour le grand bonheur des populations de Mbao. Mangi ngi bu ouverture bi naka lay sunu domi d'y fréquenter l'établissement dans des conditions d'excellence dans des conditions de sécurité Nous avons ak nous yi waxtaan ak euh, parce que loo gis rek ci njëlbeen bu ñu sumbee waxtaan yaakaar ni euh, dina nek lo xamné ne dinañ ci déggoo bu vous pouvez compter sur mon soutien sur mon appui euh, pour que nous lu ñu sumbu fi ci mairie bi man ak sama équipe ñu indi suñu contribution pour que mu euh, jëm kanam parce que euh, japp nañ euh, da fay yóbbu kanam li nga xamné moy mooy nekkinu askan wi. pavage bi paroisse bi. wax na ko sànq bu sobe yalla lolou aussi dinañ ci waxtaan set naka lañ ci indé suñu sunu euh xam ngeen ni mairie du intervenir ci li nga xamné mom moy les lieux de culte parce que. Euh, nous avons une république euh, laïque Waye, euh, man ci sama walu bop dina out ay pexe fexé be kérok sati am ngeen am satisfaction ci li nga xamné mom moom ngeen bëgg ci wàll wi. dinañu out aussi ay moyens set naka lañu fexé en tout cas jàpp leen ni le message est bien passé et nous avons pris bonne note pour que ñu out pexe. ba régler jàngoro boobu ngeen wax léegi léegi incha allah bu soobee yàlla sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp euh, je suis venu avec euh, des collaborateur euh, collaborateurs yi euh, mun nañ ci ràññee ñu bëri waaye ku lim am ko bàyyi ki fi jël kàddu sànq di Henri Albis nekk na koo xam ne kuy liggéey sunu wett la moom ak ay jigéenam.

ci walu politique bi ñu def euh lolu remercier euh, remercier euh, le bureau municipal qui a fait le déplacement avec moi Voyez, di remercier le euh, secrétaire municipal mu ngi fi le patron de l'administration remercier l'ensemble des conseillers l'ensemble des membres du cabinet l'ensemble des militantes ñi nga nañ ma pour ma ñëw fi tay euh, ak Au nom de toute la communauté paroissiale, saluer Monsieur le maire avec respect. Par ailleurs, je salue tous les membres de la délégation avec déférence. Monsieur le maire, les gestes que vous ne cessez de poser à l'endroit de la paroisse nous vont droit au cœur. Les derniers gestes en date, ce sont les chaises que nous réceptionnons en ce moment. En parlant sincèrement, je demeure sans voix devant ce geste. J'allais même dire que je suis très ému par ce geste. Que Dieu vous le rende au type monsieur le maire. Si vous vous rappelez, c'est ici même que j'avais tendu ma main de collaboration à M. le maire. Et à la minute près, il avait saisi ma main de collaboration. Étant un homme qui joint la parole à l'acte, on a vu concrètement les gestes qu'il a posés à l'endroit de cette paroisse. Je suis particulièrement sensible à l'humilité de M. le maire. Il nous a félicités pour l'implantation de Auchan, mais sans son concours, on n'aurait pas Auchan dans la commune. Il a joué pleinement sa partition pour que Auchan s'implante dans la commune. Et c'est lui qui nous félicite aujourd'hui pour ça. Pourtant, il a beaucoup fait pour ça. Monsieur le maire, merci pour ce que vous faites à l'endroit de cette communauté chrétienne. Nous le lii lee nee nañu du guleet defoon nañ ko daaw ñu fekke ko ren fekke ko déwén di moins ay ati at yoo xam ne dans les archives paroissiales gis naa li mu def ak jeunes yi marche pèlerinage ak leneen ak leneen lépp l'adjoint du maire wax nañ ko wax na ko mënoon nañ fi yendu di lim li mu def monsieur le maire don ko xamantene ku soufelu la ci njëriñu askan bi jaral na ko lu nek waxon nako quand on lançait la police d'assainissement je réitère cela mu ngi ñuy jaajëfal di ñu sargal ndege champ def fi ñew waye jéego yum ci dox té ñu rafet waxuko daf ko def rek te yalla tax askan bi tax moom itam ñu koy jaajëfal di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yokk taxawaayam ci moom barke liggéeyu loxoom fii ci commune Mbao yéen ñëpp ñu liggéey ak moom yàlla barkel leen yéen itam yokk taxawaayam ci yéen ñëpp balaa may jeexal ma bëggoon wax ak chrétien yi jóge ci paroisse bi te nekk ci commune mbaaw malen di ñaax ñoom itam di nous di féliciter di len ñaan ñu ay modèle monsieur le maire Henri Albis et compagnie qui redoublent d'efforts qui conjuguent leurs efforts pour nous jàppale bu baax monsieur le maire ndégué li rafetna ku def lu baax rek da am lu baax bi may ñaan suñu chrétien ñu ngëmbuwaat gën a jàppale monsieur le yal na jàmm yàgg ci commune Mbao monsieur le maire merci